dit la machine, tu tout simplement la bienvenue sur l'artiste Sacrim, tu es sur le studio Kalangu, tu es sur l'émission Tout ça la Cal, ça va bien Oui, ça va, bon. Dis-moi un petit peu la forme, s'il te plaît. Non, je suis, en plein forme. Tu es en forme, n'est-ce pas, Mr. Carl Cal Alors, puisque tu es en forme, j'ai envie de savoir un certain nombre de choses sur l'artiste. Il y a pas kiffés à travers le Niger. Elle est quatre coins, à travers 46 radios. Elles sont partenaires, ces radios. <laughs> Alors, ces jeunes qui nous kiffent, à travers, bien évidemment, ces radios partenaires, ils ont envie de savoir tout sur Mr. Cal. Si je te pose la question à savoir qui est Cal, tu vas me répondre quoi euh, À l'état civil, commençons d'abord par le nom et le prénom, c'est important. C'est Ousmane Abdraman. Ousmane Abdraman, ouais. Eh, tu sais que c'est aujourd'hui que même moi je suis content à Ousmane Abdraman. <laughs> <laughs> non, mais sérieux, mon frère. Beaucoup de connaissent pas mon prénom. Beaucoup, hein. ben, voilà. Donc, hein. du coup, on va aller avec euh, ta date de naissance. Tu euh, un 29 euh, janvier. L'artiste, il est tout simplement jeune. Vous l'avez certainement constaté avec moi. Marié ah non, non, célibataire. Célibataire. Situation matrimoniale. J'aime cette partie. Tu as combien de go dans ta vie Allah, tu me poses combien de go dans la vie Je sais pas quoi, man. <laughs> Ah, tu dis quoi Je sais pas quoi. <laughs> Mais c'est ça aussi, la question piège. Ok, d'accord, de la situation matrimoniale. Ok, pas de soucis, Mr. calme. On va parler aujourd'hui cas de ton parcours, le parcours en question du combattant. J'ai envie de te cuisiner un peu. On d'abord par savoir pourquoi euh, par quoi tu as commencé. Ah, eh, c'est important je, de, je, de, de rappeur hein, au tout début dans les années 2000. J'avais commencé. J'avais commencé vraiment trop, trop jeune. Ok et quand le mouvement, c'était comme si c'était de la mode, tu te rappelles quoi ah, Je me rappelle très bien. Ah, Donc c'était une mode MC et puis rap, tu vois. Donc j'avais commencé avec mon premier groupe qui s'appelait Big Men of Adair. Big Men of Adair. Le groupe n'a pas Donc tu as commencé le rap à, à, c'est ça Oui, j'ai commencé à Ottawa. Et voilà, et après Big Man Father, mhm. donc euh, on avait créé WhatsApp Boys. Ok. Que j'étais presque le fondateur parce que c'est moi qui, de donné, voilà, qui, donné le nom du groupe et puis voilà. Donc euh, on a fait beaucoup de choses ensemble jusqu'à remporter certains prix comme Rap Aïr en 2006 là. Donc euh, ah. après ça, c'était après ça, j'avais quitté le groupe pour entamer une carrière solo. Tout simplement. Alors la carrière solo, tu l'as entamée ici à Niamey ou bien ah, à, depuis Tawa. Tawa, on t'appelait comment dans le temps tu as c'était cal. C'était cal. Pourquoi cal Explique-moi. K, K, A, N, cal. Tu as tout calé sur l'émission. Pourquoi Mr. Cal euh, En fait, euh, cal, c'est le préfixe euh, de mon surnom. Ah, ok. Qui est Kalao. Kalao. Pourquoi Kalao eh, Bon, moi, je pensais que quand je demandais à ma mère, mhm. elle m'avait dit quand tu étais gamin, tu pleurais beaucoup. Ok. Et quand son cousin venait à la maison. Mais tu pleurais ou tu chantais eh, Adam Junior nous a tous, ok, d'accord, ben, c'est... Hein, parce que nous aussi, on l'a kiffé. Pour te dire aussi que j'ai chanté aussi Adam Junior. Alors aujourd'hui, attends, écoute, Mr. C'est important, euh, n'est-ce pas, qu'on parle un peu de ton parcours. Tu as commencé euh, dans les années 2000. Alors on va faire, on va parler un peu de 2000 à aujourd'hui. Ok, d'accord. 2000 euh, à aujourd'hui. Tout a commencé en 2000, n'est-ce pas On va parler un peu des difficultés que tu as rencontrées, parce qu'on parle du parcours du combattant sur le premier temps. Parlons des difficultés. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficultés C'est vrai. Moi, c'est la musique en fait qui m'a amené à Ok, c'est la musique en question qui t'a amené à Niamey. Oui, voilà, c'est la musique qui m'a amené à Niamey. C'est vrai, j'ai une famille ici. Mais moi, eh, si je suis venu à Niamey, c'est grâce à la musique. Et si aujourd'hui je suis venu à Niamey pour faire la musique. Voilà, pour faire la musique. Donc tu as tout jeté. Bon, c'est ça, moi je pense que je l'ai dit dans Si, une chanson que tu as beaucoup aimée. Toi ouais, j'ai beaucoup aimé. <laughs> Mais c'est important qu'on me ouais, ça. Voilà. Eh, parce que moi je suis quelqu'un qui chante avec le cœur. Donc, euh, je disais, la musique m'a amené ici. En 2006, c'est vrai, on a fait une tournée avec euh, ZM dans le temps, okay. avec qui avait sorti son album Manigo. Donc, avec les beats posés, tout ça là, Donc, euh, on parlait, on parlait, je, leur disais que je voulais vraiment faire une carrière solo. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Si vraiment tu penses que tu peux le faire, tu fonces quoi. Et je me rappelle bien, quand j'étais là, c'était tellement compliqué. Tu connais chez moi, toi. tu connais chez moi. Je marche de chez moi pour venir chez Idi Sarki à pied. Je quitte de chez moi pour aller, comment on appelle ça, à la source. Ouais, ouais, ouais. À Ah, la, source à Robanda. Ouais, ouais, ouais. tu as, dû galérer. Et, eh, eh, non, le non, comble... non, ne fais pas pleurer, non, écoute, mon frère, le comble, le comble, je fais six mois en train de te donner à yamé et retourner sans aucun son. Explique-moi pourquoi. Et parce que les gens m'ont promis qu'ils vont, qu'ils allaient m'aider. Je suis venu. Et aujourd'hui, tu as ton propre studio. Oh, évidemment. <laughs> super. évidemment. C'est ça, en fait. Il faut que je ne l'ai pas officialisé, mais il est là. Très bientôt, on va tout mettre en place. Waouh, Moi, je préfère au fait te vendre. Attends, je préfère au fait te, liquider, comme on dit. Alors, euh, Mr. K, alors nous sommes pratiquement à la fin. Ah, d'accord. N'est-ce pas, de cette première partie consacrée à ton parcours. Aujourd'hui, on te donne la possibilité de t'exprimer. Je voudrais que euh, tu me dis, en tout cas, tout ce qui vient du fond de toi, de ton cœur, de tes entrailles, pour qu'on puisse changer les choses. Je voudrais que tu t'adresses à cette jeunesse. Je voudrais, parce que tu as toujours conscientisé, tu as toujours, euh, tu as toujours parlé, je voudrais que tu t'adresses aussi à ces animateurs. Je voudrais que tu t'adresses aux autorités pour qu'ensemble nous puissions changer les choses, pour qu'ensemble nous puissions, euh, en tout cas, faire grandir la musique. Mais des Niger l'artiste calme s'exprime. Hey je pense qu'aujourd'hui, chacun doit faire sa part de responsabilité pour faire avancer les choses. Quoi. Moi, je suis un artiste, je fais ma musique, je rentre au studio, Je fais des mon pour faire des bons clips. Et ben voilà, ceux qui sont censés promouvoir, ils devraient le faire sans se préoccuper quoi de qui tu es. Quand un produit est bon, il faut juste le faire promouvoir parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et en plus, euh, Aujourd'hui, je pense que nous, ce qu'on demande à l'État de faire en tant que jeunes, c'est des ouvertures. Parce que l'État ne peut pas donner de l'argent. Mais créez-nous des ouvertures, laissez-nous voyager. Donc il faut nous donner cette possibilité-là. Voilà. Ainsi parle Mistakal, C'est l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Machine. قال